Il est 10h à Niamey, dans une grande salle de conférence remplie de jeunes filles. Nadia Ibrahim, un pseudonyme, 23 ans, s'apprête à passer à l'action. La jeune étudiante est membre d'une association très active dans la lutte contre le cyberharcèlement. Et ce matin, justement, à l'occasion de la journée de la jeune fille, elle participe à une séance de sensibilisation organisée par les membres de son association sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur chez les jeunes filles car beaucoup préfèrent le silence à la dénonciation. Nous sommes très honorés de vous accueillir Après quelques interventions, Nadia prend la parole. l'impact sociaux sur les Assises sur les tables bancs classées en trois rangées, une cinquantaine de participantes, des jeunes filles, lycéennes et étudiantes pour la plupart, écoutent avec beaucoup d'attention Nadia et les autres panélistes, des membres de l'association placés en face de l'assistance exposent leurs idées. Après la sensibilisation, Nadia nous explique le but de l'activité. L'objectif même euh, de cette euh, activité, c'est de faire en sorte à ce que les jeunes filles ne se taisent plus, de faire en sorte à ce que les jeunes filles prennent le micro, de s'exprimer, de dire il faut qu'au final, elles puissent se sentir à l'aise d'exprimer ce qui se passe entre eux et les gens qui essaient de les Si Nadia a fait de la question du cyberharcèlement des jeunes filles son cheval de bataille. Des raisons très personnelles expliquent ce choix. La jeune fille a en effet elle-même vécu la même situation. Une histoire qui la hante encore et qu'elle a tenue à nous raconter un après-midi lorsqu'elle nous reçoit chez elle. une grande concession familiale située dans un quartier périphérique de Niamey. Repliée dans sa chambre sur son petit lit en bois, Nadia se remémore encore cet épisode de sa vie. C'est d'ailleurs ici que tout a commencé. C'était, une soirée dans la nuit, il m'avait écrit. Il s'est présenté. Moi, je pensais que c'est quelque chose que je... Nadia était encore étudiante en deuxième année de licence dans un institut de Niamey lorsqu'elle reçoit le premier message de son harceleur un membre de l'administration de son école, un homme qu'elle respectait beaucoup pour son âge, mais aussi pour son statut à l'école. Comme on a un groupe de WhatsApp dans, lequel se trouvent presque tous les étudiants de l'école, il a pris mon numéro dans le groupe. Comme nous sommes des étudiantes de l'école, peut-être il y a une activité académique. quoi. Il m'a demandé si on peut sortir que tu as une forme Coca-Cola, quand je te vois, tu m'excites, voilà, voilà, ou bien... Étrange pour la jeune étudiante qu'elle était, mais elle n'était pas au bout de ses surprises. Les messages pervers continuent des plus belles. Il me dit des choses bizarres. Il me dit, j'ai même revu qu'on a couché ensemble parce qu'il m'a demandé euh, le sexe. J'ai refusé. Un refus que le monsieur en question se contenta tout simplement d'ignorer. Il utilisa ensuite un autre moyen de pression les frais de scolarité que la jeune fille n'avait pas encore fini de solder. J'ai même eu l'habitude de pleurer. Je le déteste d'ailleurs. J'ai pleuré mais j'ai rien dit. Parce que en pleine cours, je vous dis, en pleine cours, il vient, il, appelle mon nom, je me présente, il dit venir. Je sois et puis tu sais que tu n'as pas fini depuis, j'ai dit oui. Donc, je ne discute même pas avec lui. Je prends mon sac, je sors. Comme je sais ce qu'il veut, et moi aussi, je refuse de lui faire ce qu'il veut. Parce que si cela était que j'ai accepté sa proposition, il n'allait jamais venir me dire de sortir. Son insistance fit comprendre à Nadia que le silence n'était pas son meilleur allié. Elle le dénonça à l'administration. Dès qu'il m'écrit, il fait ces trucs-là, j'ai capturé les messages. Du coup, j'ai gardé. Donc, j'ai une arme contre lui. Je ne peux pas avoir peur de lui. Et après qu'on a fini les cours, je me suis rendue au niveau de l'administration pour signaler et puis raconter ce qu'il est en train de me faire depuis un certain temps. Une fois qu'il m'envoie des stickers sur le WhatsApp, je l'ai bloqué. Par après, maintenant, c'est à l'école. Quand je fais cours, il vient, une me de sortir. Pourquoi Parce que j'ai refusé qu'on sorte. C'est ça le but. Après, l'administration lui avait convoqué, il est venu. Moi, j'ai appelé mon papa. Et c'est grâce à cette dénonciation qu'elle put résoudre ses problèmes. Même si le traumatisme reste encore ancré dans sa mémoire, Nadia a su transformer sa douleur en force, éveillant les consciences de nombreuses jeunes filles. En témoignant de son expérience, elle espère donner du courage à toutes celles qui subissent le même calvaire parce qu'elle sait pertinemment que sous d'autres cieux, d'autres jeunes filles sont aussi confrontées au même problème. Et aujourd'hui, où qu'elles soient, Nadia accueille, conseille et oriente les autres victimes des cyberharcèlements. Et justement, un peu plus tard dans la soirée, une autre jeune fille rejoint Nadia dans sa chambre. C'est son amie de longue date, Alia. Stressée ce soir, Alia vient chercher conseil chez Nadia, sachant qu'elle est la mieux placée pour l'orienter. Je bloque son numéro, il À chaque fois, il te À chaque fois. En effet, depuis un mois, Alia s'est fait harceler par un homme bien connu du public avec qui elle est entrée en contact et qui sans cesse la bombarde d'avances malsaines et messages vulgaires. Voilà, je ne peux plus. Je suis fatiguée. À chaque fois, il me fait des vocaux, des messages. Je suis fatiguée. Ce sont aussi des vidéos, des stickers et même des photos sur WhatsApp. Ça fait beaucoup de messages. Il faut atteindre au niveau de peut-être 50, voire 60. Et, et c'est des vocaux. C'est même pas des messages, c'est des vocaux. On peut entendre sa voix. Elle a tenté de l'éviter à plusieurs reprises, mais il revient toujours à l'assaut. J'ai bloqué son numéro deux fois, mais elle a changé de numéro. À chaque fois, elle m'écrit ce des nouveaux numéros, sur un nouveau numéro. Ça continue, même hier nuit. Hier nuit. Nadia n'hésite pas à conseiller son ami. Première option, renvoyer la flèche à l'envoyeur. Et s'il persiste, la police. Essaye de lui dire que s'il continue de t'envoyer des vocaux, ou bien s'il continue de te faire ceci, tu vas envoyer tout ce qu'il t'a dit dans des groupes que tout le monde le connaît. Et puis tu verras, là, il va avoir peur. Et s'il continue aussi, on va partir au niveau de la police, au niveau de la division, là où la commissaire s'occupe de ces genre de des conseils qu'Alia reçoit avec beaucoup d'attention. Elle promet à son amie de les appliquer à la lettre. Je, vois, je vais t'envoyer les messages et les vidéos. Tu vas les garder. D'accord. Au cas où il supprime. D'accord, il n'y a pas de souci parce qu'il va essayer de, de les retirer. C'est bien toi quand tu as eu le courage de venir m'en parler. Pour Nadia, si ce genre de cas se produisent de plus en plus, c'est à cause du silence des victimes. Et c'est pourquoi lors d'une de ces séances de sensibilisation, elle insiste pour que les jeunes filles harcelées ne se taisent plus, car c'est grâce à la dénonciation qu'elle a pu se libérer de son harceleur. Et pour avoir vécu la même situation, elle comprend à quel point il est difficile pour une jeune fille d'exposer ces genres de situation. D'autres ont peur de s'exprimer parce que la majorité de ceux qui les acceptent ce sont des grands, ce sont des gens responsables, des gens influents. Mais d'autres se disent, si je dis c'est ça, c'est si, on ne va pas me croire. Parce que la personne est responsable, la personne est ceci, cela. Or, ce n'est pas ça. Il faut qu'au final, elles se disent, voilà, même si la personne est ministre, quand la personne essaie de, de marceler, je vais le dénoncer. Après quelques interventions, l'assistance réagit. Quelqu'un m'avait envoyé une Première victoire pour Nadia, les jeunes participantes venues de toutes les régions du Niger prennent la parole à tour de rôle car beaucoup se retrouvent et se reconnaissent dans le message transmis par les panélistes. Nadia et ses autres coéquipiers essaient tant qu'ils le peuvent de les conseiller. L'une des participantes venues d'Ottawa accepte même qu'on laisse notre micro ouvert pendant qu'elle exposait son cas à l'un des panélistes. Un monsieur m'a une fois écrit en fixant un rendez-vous avec moi et en me donnant ses propres conditions. Je lui ai dit qu'il se trompait de personne. Il m'a dit que de toutes les façons, toutes les filles sont pareilles. Ce sont des filles faciles. Je l'ai bloqué. Mais il a encore cherché un autre numéro pour m'écrire à nouveau. C'est là que j'en ai parlé à mon grand frère, qui a appelé pour le menacer. Oui, il m'a vraiment harcelé. Pour Nadia, si les graines de sensibilisation ont été sémées, il reste encore beaucoup à faire pour que chaque victime ose parler, car derrière chaque silence se cache une histoire, mais aussi une souffrance.